Nigérien, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout à la FADA, Massa Deme s'exprime. Hey. Vous, vous rappelez certainement de l'artiste il était sur l'émission Franco Aoussa présenté par la Miss Rim hier, nous avions parlé du parcours en question du combattant. Pour rappel, Massan Deme est artiste burkinabé avec un esprit panafricain. Pour cette raison, l'équipe a effectué le déplacement de Niamey à Ouagadougou pour permettre à la jeunesse nigérienne de kiffer l'artiste, de le découvrir, de savoir tout sur Massa Demi. Aujourd'hui sur cette émission, en cette euh, deuxième mission, nous allons parler du contenu de son premier album, Tunga. Un album de 10 titres qui a vu le jour en 2019. Tout sur l'album Tunga, c'est tout de suite et maintenant. Sous l'émission Tous à la Fada, en la L'artiste s'exprime. Ladies and gentlemen, recevez l'artiste Massa Deme tout de suite et maintenant sur l'émission Tous à la Fada, l'artiste s'exprime. Hey.

à ça demain. La machine dit te souhaite une fois de plus sur la bienvenue sur l'émission Tout ça la fada. Tu n'es plus à présenter. Ils t'ont déjà kiffé hier. Ils ont eu un peu le parcours du combattant sur cette émission et consacrée à la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, nous allons parler du contenu de l'album Tunga, un album déjà disponible. Ce qui m'a impressionné parce que j'ai écouté les 10 titres de cet album. Euh, tu fais la promotion de la langue euh, de la langue euh, Djola. Bambara. Djola, Djola Bambara. Pourquoi alors déjà, merci à toi la machine. On est ensemble mon frère, il n'y a pas de suite ta pas... C'est ma langue maternelle, c'est euh, une langue dans laquelle je me sens mieux quand je, compose mes chansons, alors euh, c'est celle que je maîtrise la mieux. Super. Alors ma sœur Demi, aujourd'hui on va parler de Tonga. Tu viens à l'instant de chanter quoi je viens à l'instant de chanter le titre euh, Tonga même. Tonga. Voilà le, titre même qui porte le nom de l'album. Le, le, nom de l'album. Donc c'est de Tonga que nous allons parler. Tonga c'est le nom de l'album. Tunga comporte 10 titres. Tunga veut dire quoi, Massa Alors, Tunga veut dire euh, simplement aventure, en bambara. Et euh, dans le contexte de l'album, Tunga veut dire. Euh, ça parle de l'immigration clandestine. Voilà, de frères africains qui, qui meurent dans la Méditerranée pour forcément rejoindre l'Occident. qui pensent que tout est de l'autre côté, que ça, ça parle un peu de cette galère que les, les, jeunes africains. Ah, super. Et un album de 10 titres Un album de 10 titres qui aborde euh, plusieurs thématiques, dont l'amitié, la fraternité, l'amour euh, entre nous, et euh, voilà, le mariage forcé, l'alphabétisation des enfants, tout ce qui concerne nos faits de société, ça, ça, fait un peu le tort. Un album conscient Un album conscient, conscient, du Oui bien sûr. <laughs> et qui fait aussi bouger. Parce qu'en fait, euh, eh, moi, tu, tu m'amènes, hein, tu vois, quand je fais coach, je m'évade. Ça me fait penser beaucoup de choses et on espère aussi que ceux qui nous suivent, hein, ils se retrouvent à travers justement cet album. Ok, d'accord, que nous allons euh, évidemment euh, présenter tout de suite et maintenant. Tunga, dit titre, Le premier titre déjà de cet album, de, c'est Kala. Oui. Kala, ça donne quoi déjà Alors, Kala, c'est une chanson qui, parle de l'alphabétisation des enfants. Bien sûr, il peut avoir un tout petit peu, juste un tout petit peu. Tu vas juste raccorder, parce que c'est une émission freestyle, pour permettre permettre bien évidemment à ceux qui nous suivent d'avoir une idée de Ghana. Attends, en dehors de Kala, mm, oui. qu'est-ce qu'on retrouve dans l'album là? Dans l'album Tunga, il y a Teria, une chanson qui parle de l'amitié. Euh, il y a aussi euh, Masoro, une chanson qui veut dire euh, il n'y avait personne pendant les moments de difficulté. Des gens qui, euh, nous entourent, qui, sont bien au courant de nos projets, à qui on tend la main parfois et on n'a pas forcément l'aide dont on a besoin de ces gens-là. Et voilà, on peut très souvent, l'aide vient d'ailleurs, ils mettent en Dieu qui viennent très loin qui nous aident à atteindre nos objectifs. Et euh, ceux qui étaient censés euh, nous tendre la main, ce sont les mêmes qui reviennent euh, en conseiller, qui, qui, vont te dire ce qu'il faut faire en fait. C'est un peu de ça dont parle la chanson. Tout ça parle décortiquons l'album bah, en intégralité alors. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on a encore de On a aussi Djougouya, euh, une chanson qui parle de la méchanceté. Mhm. C'est pas bon. Ok. Voilà, pas, du tout, pas du tout. Tu d'accord avec <laughs> Quand on a un petit truc, il faut le partager euh, autour de soi. Mhm. Quand on a un bonheur, il faut le partager aux uns et aux autres. Mhm. Parce que quand il y en a pour un, c'est qu'il y en a pour deux. Quand il y en a pour deux, c'est qu'il y en a pour trois et ainsi de suite. Chacun aura ne serait-ce qu'un peu. Super. À la suite. À la suite, il y a aussi euh, Moussogana, une chanson qui parle de, des femmes célibataires qui sont marginalisées dans, nos cités. Et euh, moi, je la défendre à travers cette chanson-là pour dire que euh, chaque femme a son jour, chaque femme a son lundi ou son jeudi. Donc, c'est ça l'aventure Tunga. Exactement. C'est un album que je conseille vivement, qu'il faut écouter, qui, qui se laisse tout simplement écouter. Ok, super. attends, on va faire sortir un peu. Wow, ça va bien là. ça, sommes à la fin de l'émission. Cet instant est solennel on voudrait un message. Cette émission fait la promotion de nos langues. je voudrais un message en là, tu vois, en Pampara, pour dire un mot à la jeunesse nigérienne. Un message que tu vas traduire à la fin en une phrase. Hein. Tu, vas, tu vas résumer tout ce que tu vas dire en une phrase pour permettre à toute l'Afrique et au monde entier de savoir ce que tu, as dit. Burkina Faso, Niger, Mali, Sénégal, Guinée, Farafina, Yamanabe aw bɛɛ ni ce ani baraji a ye n kanu ala k'aw sara bɛɛ k'i ta ɲini bi mɔgɔ n'i bolomala mɔgɔ ta ma croyez en ce que vous faites ne lâchez jamais le message est clair et franc never give up c'est le concept moi ça nous avons parcouru Tunga ensemble ouais. l'aventure de l'artiste s'exprime s'arrête ici ouais. mais l'aventure continue continue peux nous accompagner. J'ai juste envie de vous dire au revoir euh, à tous ceux qui nous kiffent sur cette émission. J'aime ta voix, j'aime tout ce que tu fais. Tu vois un peu ce que je veux dire par là ouais. C'est bon Qu'est-ce que tu vas me présenter Pour finir Je vais vous reprendre euh, Mogo Masoro. Mogo Masoro, tu kiffes Ouais. Toi-même tu kiffes Mogo Masoro J'aime bien. Il n'y a pas de souci. Alors, euh, sur ce, mesdames et messieurs, nous allons revenir toutes les conditions qu'il faut pour prendre congé de vous. C'était donc Massa Deme sur l'émission Tout ça la fada. C'était votre but. L'artiste s'exprime. Qui fait la chanson et sur ses malangin inna mogo